le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le Forum de la presse qui a lieu tous les vendredis soirs. Le Forum de la presse, c'est ce rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite ou audiovisuelle pour décortiquer l'actualité. Dans le Forum de la presse de ce soir, nous allons revenir sur cette énième attaque terroriste qui a de nouveau endeuillé le Niger. Il s'agit notamment de l'attaque du camp de la gendarmerie d'Aérou le samedi 21 octobre passé. Une attaque qui a causé la mort de 13 gendarmes ainsi que des blessés dont des civils. Autre aspect du forum de ce soir, la présentation solennelle du projet de loi des finances 2018 par le ministre des Finances, Hassoumi Massaoudou. C'était le mercredi dernier à l'Assemblée nationale une loi dont certaines dispositions font couler beaucoup d'encre et de salive. Et puis c'est désormais officiel, les membres de la CENI permanente sont nommés par décret présidentiel cette semaine. Vous suivrez tout à l'heure l'analyse de nos confrères sur cette, sur cette CENI dont l'opposition politique n'est pas partie prenante. Enfin, mardi dernier, Niamey a accueilli la quatrième réunion de haut niveau sur la création d'une monnaie unique dans l'espace de la CDAO d'ici à l'horizon 2020. Cependant, à l'issue de cette rencontre, il ressort que la monnaie unique qui remplacerait le franc CFA et cette autre devise nationale apparaît difficile à mettre à, mettre, à être mis en place rapidement. Qu'est-ce qui bloque Quelles sont les chances d'aboutissement de ce projet sous-régional qui a intérêt à ce que cela n'aboutisse pas Élément de réponse à suivre dans le forum de la presse de ce soir. Pour en discuter, nous sommes ce soir avec nos confrères Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Bonsoir Gary. Bonsoir. Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Bonsoir Issa. Bonsoir. Murtala Mahamadou, journaliste au satirique euh, La Griffe. Bonsoir Murtala. Bonsoir Alassane. Nous avons également en ligne avec nous notre correspondant à Yerou, euh, Abdoulaye Mamadou. Bonsoir Abdoulaye Amadou. Bonsoir. Donc, euh, présentation de cette émission Alassane Kouzi Mahamadou. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Le Forum de la presse que nous ouvrons par un sujet sécuritaire. Le camp de la gendarmerie de la ville d'Ayoro, région de Tilaberi, située à 200 km au nord-ouest de Niamey, a été la cible d'une attaque terroriste. L'attaque a eu lieu le samedi 21 octobre passé aux environs de 7 heures du matin. Le bilan officiel fait état de 13 gendarmes tués et 5 autres blessés. Selon une source officielle, une poursuite a été engagée par les forces terrestres et aériennes en vue de neutraliser les assaillants qui se sont dirigés vers le Mali. Pour plus de détails, nous avons en ligne avec nous notre correspondant à Abdullah Abdoulaye Amadou, responsable de la radio communautaire d'Ayoro. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir. Donc Abdoulaye, dites-nous qu'est-ce qui s'est réellement passé le samedi 21 octobre et comment est-ce que la population d'Aéro a vécu cette situation. Donc, euh, ce samedi 21, tôt, tôt, le matin à 7 h À 7 heures, les des assaillants à bord de quatre véhicules Toyota 4x4 ont tenté de se prendre la gendarmerie d'Aïrou, mais la sentinelle ne leur a pas donné ce temps. La sentinelle qui a tiré en position, en première position sur les assaillants qui ont réagi immédiatement avec leurs armes routes. Mais cela n'a pas empêché à nos vaillants gendarmes de se mettre en position et les tenir. 40 minutes de combat acharné devant des armes lourdes selon les spécialistes qui ont analysé la situation. Donc euh, malheureusement, ça a causé la mort de 13 euh, gendarmes de, de Ayerou, mais cela, en tout cas, ils ne sont pas morts pour rien parce qu'ils ont fait plusieurs morts et plusieurs blessés dans les rangs des assaillants. Des sources sécuritaires officielles ont indiqué qu'une poursuite a été engagée par les forces terrestres et aériennes en vue de neutraliser donc ces assaillants qui se sont enfuis en direction du Mali. saviez vous si la poursuite des assaillants a donné des résultats euh, selon les informations que nous avons sur toutes les lèvres des populations, d'ailleurs, c'est suite à cette information que les populations euh, se réjouissent donc nous avons en tout cas appris que suite à la poursuite de, la garde nationale de Ayerou et de la, des militaires de Yassan qui les ont aussitôt poursuivis, et voilà l'arrivée rapide des avions et des hélicoptères qui sont venus. Donc euh, il paraît que l'armée de Ilnates les a interceptés. Donc euh, en tout cas le résultat que nous avons eu, ils ont été neutralisés, c'est ce qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que euh, les assaillants ont, été identifiés Sont-ils des Nigériens, des Maliens euh, Identifiés, non. Personne n'a dit de quelle ethnie ils sont. Mais ce qui est sûr, ils prononcent des mots arabes, ils disent Allahu Akbar. Avant leur départ, c'est ce qu'ils prononçaient. Une semaine après cette tuerie, la vie est redevenue normale à Yerou ou bien certaines habitudes ont changé, notamment chez les habitants ou chez les forces de défense et de sécurité oui, de tous côtés, il y a eu changement. Les gens ont repris, euh, font semblant de reprendre tout dans la normalité, mais euh, se méfient aussi. les FDS ont pris beaucoup de dispositions cette fois-ci, en tout cas vis-à-vis de euh, ce qui s'est passé. En tout cas, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises, qui sont d'ailleurs affichées partout dans la ville. Les gens remarquent vraiment un changement, un grand changement du côté des FDS. Merci beaucoup Abdoulaye pour ces précisions et restez avec nous euh, pour la suite de ce forum de la presse. Nous revenons en studio avec nos invités. Alors, euh, je vais commencer avec vous, Garé, journaliste euh, au quotidien La Nation. Un commentaire ou un complément sur ce que vous venez de suivre avec notre correspondant Abdoulaye Amadou, qui, a vécu la situation de cette attaque à Aéro. Oui, d'abord, je présente mes condoléances à la famille des militaires qui sont tombés sur le champ d'honneur. Et deuxièmement, effectivement, comme l'a dit l'autre correspondant, euh, les habitants d'Aourou essaient de mener une vie normale, mais ils ne peuvent que euh, euh, faire attention aussi, parce qu'il faut rappeler que c'est la deuxième fois, à moins de quelques mois, que a est attaqué. Je crois que le 11 juin, il y avait déjà eu une attaque contre la gendarmerie, la même gendarmerie de C'était à mai. En mai, je crois, 11 mai, je crois, la même gendarmerie de La même attaque. Donc, les habitants de sont maintenant, en tout cas, très, très méfiants. C'est-à-dire qu'ils essaient de mener une vie normale, mais euh, euh, ils, se disent qu'une autre attaque peut survenir. J'ai dit bravo aux forces de défense et de sécurité, parce que euh, pour une fois, c'est tout qu'on a toujours demandé. On a toujours dit, les terroristes peuvent attaquer dix fois, mais ce que nous voulons, à chaque fois qu'ils attaquent, qu'on essaie de le poursuivre et qu'on les tue, qu'on les neutralise. C'est ce qu'on a toujours demandé. C'est-à-dire que maintenant, ils vont réfléchir à deux fois. L'armée nigérienne est dans une posture punitive, c'est-à-dire qu'ils peuvent attaquer. Pas, ça ne veut pas dire que les attaques sont finies. Hein. Ils peuvent attaquer, mais qu'ils sachent une chose. Quand vous attaquez, vous ne retournerez pas à la maison. N'est-ce pas Si vous voulez mourir shahid, vous allez mourir shahid parce que les forces de défense et de sécurité vont vous poursuivre, ils vont vous traquer, ils vont vous pulvériser, ils vont vous neutraliser. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça fait du bien aux Nigériens. Parce que chaque fois, à chaque fois qu'il y a eu les attaques précédentes, on vient, on nous dit que oui, oui, des poursuites sont engagées, apparemment. Mais sans, aucun, sans aucun résultat. Ça, ça frustre les Nigériens. Aujourd'hui, suite à l'attaque de Ayuru, mais les Nigériens, la réaction rapide des militaires nigériens qui ont poursuivi les, les, anciens jusque dans le territoire malien, parce qu'il faut le dire, ils les ont interceptés dans le territoire malien, ils les ont détruits, ils sont revenus. Donc, mm. je pense que ça, c'est une bonne dynamique. Il faut déjà que les terroristes sachent que le Niger, là, ce n'est pas comme les autres pays. Si vous attaquez les militaires nigériens, vous allez certainement tuer des militaires. Mais sachez une chose, vous n'aurez pas le temps de retourner dans votre tanière nous allons, nous et le fonds de défense, nous allons vous traquer et nous allons vous tuer. Voilà. Bien, Issa Morumadougou, journaliste à la télévision, euh, à la radio et télévision Ténéré, quelle analyse faites-vous de cette deuxième attaque euh, du JAR euh, sur le même camp de la gendarmerie d'Aérou tout d'abord, je présente mes condoléances les plus attristées aux familles des disparus et prompt rétablissement aux blessés. Et je m'apaisanterai pas seulement, mais au niveau de tout le nord de Vous savez, il y a quelques semaines de cela, dans le village de Tongo Tongo, encore des forces de défense et de sécurité sont tombées sous les balles de ces hommes sans foi ni loi aujourd'hui qui viennent gratuitement comme ça, attaquer nos forces de défense et de sécurité et les tuer et part tranquillement. Et c'est ce que je vais abonder un peu dans le sens de égarer. Le fait de les poursuivre et de les neutraliser, ça c'est une bonne chose parce que ça va au moins permettre à la population de ne plus être dans cette hantise de dire que non, ceux-mêmes-là qui sont censés nous protéger sont tués chaque jour et que ceux qui les tuent se promènent librement. Ils viennent quand ils veulent, ils répare quand ils veulent. Donc voilà cela, ça réconforte un peu l'esprit nigérien parce que ça nous amène aussi également à collaborer encore davantage. Parce que vous ne pouvez pas collaborer chaque jour avec quelqu'un que qui est meurtri chaque fois, quelqu'un qui est vulnérable. c'est le cas. Il y a eu combien de morts On nous dit non, une poursuite a été lancée. Ou bien ils sont répartis. On ne sait pas qui ils sont. Mais il faut les traquer. Nous sommes dans une guerre. Il n'y a pas de convention on ne faut pas qu'on nous parle de, de, de, respect du droit de l'homme ou de quelques conventions. On n'a rien à voir avec ces conventions. Et ces gens-là, ces pères de famille, ces jeunes à fleur de l'âge qui sont en train de tuer, ça, c'est pas aussi une violation des droits de l'homme. Il faut utiliser les moyens. la puissance du feu doit être utilisée contre toute personne ou tout groupement de personnes qui portent atteinte à la sûreté et à la sécurité de la nation nigérienne. Aujourd'hui, les Nigériens doivent s'unir dans cette épreuve difficile. Cette guerre aujourd'hui nous concerne tous, que vous soyez militaire, que vous soyez civil, que vous soyez politique ou bien autre chose. Vous êtes tous interpellés. Nous devrons aujourd'hui nous unir. Faire en sorte que le renseignement exact soit livré à ces gens-là, à, qui de droit et surtout les forces de Il faut les épauler. Ils ne constituent pas une insécurité à nous. Il faut briser ces barrières et c'est ça un travail qu'il faudrait faire. La collaboration, la responsabilisation aujourd'hui de ces communautés à prendre en charge, à comprendre que leur propre sécurité commence par leur comportement. Si vous avez un comportement douté, alors vous compromettez toute la sécurité de la nation. Murtala Mahamadou du satirique euh, La Griffe. Euh, je voulais euh, également, je donne ma voix à celle de tous mes confrères pour présenter mes condoléances à toute la nation nigérienne parce que ceux qui sont partis sous les, balles de l'ennemi euh, appartiennent désormais à toute l'histoire de la nation nigérienne. Euh, euh, au-delà, euh, je crois que la question de, de, cette insécurité dans la zone de la, partie nord de la région de Tilaberi, ou de façon générale toute la partie frontalière avec le nord malien, encore nous ramène toujours, malgré tout ce qu'on dira, tous les efforts que le Niger fera à l'interne, que ce soit la collaboration des populations, la puissance de feu et aussi le déploiement de, des services des renseignements compétents, etc.

Euh, nous ramènera toujours à la question du contrôle de l'autre côté de, la, frontière. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté Parce que eh oui, on a beau essayer de, mettre de l'ordre chez nous, quand de l'autre côté, ce sont ces mêmes groupes qui font la loi et qui contrôlent euh, euh, le territoire avec la bénédiction de d'autres puissances qui sont censées nous aider, il y a quand même, de mon point de vue, un, jeu qui n'est pas clair. Ces, forces peuvent nous attaquer chez nous, commettre des dégâts on le poursuit. Euh, cette fois-ci, on est parti au-delà de la frontière, mais il y a quand même des limites où nos forces ne peuvent pas aller au-delà parce qu'ils vont se retrouver peut-être pris au piège euh, bah, euh, par tout l'armada de, de, ces groupes qui sont quand même assez puissants dans cette zone-là. Donc, on a beau faire des efforts, si de l'autre côté, on n'arrive pas à remettre de l'ordre, à rétablir de l'ordre afin que l'État malien revienne dans cette partie de son territoire, que cette partie revienne, revienne euh, euh, une, partie euh, de, l'État malien véritablement sous son contrôle, on aura encore du pain sur la planche. Pas ne pas permettre aussi aussi libre de, ces, groupes-là. La présence de l'armée malienne dans, cette partie du territoire est, de mon point de vue une condition sine afin qu'on puisse permettre et réduire au minimum ces incursions qui à chaque fois sont meurtrières chez nous. Bien. Il est à noter que 24 heures après cette attaque meurtrière du camp de la gendarmerie d'Aéro, le ministre de l'État, le ministre d'État, Abazo Mohamed, ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place. Objectif à apporter son soutien moral aux forces de défense et de sécurité. Il a prononcé une allocution à cette occasion. Je vous propose de suivre euh, Baso Mohamed, ministre de l'Intérieur. Je voudrais vous rendre hommage à vous tous, rendre hommage à vos camarades qui ont résisté de façon vaillante et qui sont morts dans l'honneur, l'arme à la main. Je voudrais vous dire que nous serons avec vous. Je voudrais vous dire que c'est un épisode qui ne se répétera pas. Parce que tout simplement, vous avez été aguerris. Je voudrais démentir le récit facile qu'on fait du comportement de nos soldats. Il est totalement erroné. À chaque fois que j'ai eu l'occasion malheureuse de venir sur un théâtre où vous avez été en face de l'ennemi, je constatais que vous avez été vaillant. Si le rapport de force et un nombre d'hommes et surtout en capacité de feu n'était pas si disproportionné, je suis sûr que le résultat aurait été bien différent. Bazo Mohamed, ministre de l'Intérieur, euh, à l'occasion de sa visite après le drame qui s'est déroulé donc euh, au niveau de la euh, gendarmerie d'Aérou, garé oui, vous voulez écouter donc le ministre euh, Bazoum. Euh, son allocution prononcée là-bas a été différemment appréciée par les uns et par les autres. Quelle analyse vous et quelle appréciation vous, vous inspire euh, ces propos Différemment apprécié, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par là, mais ce que j'ai dit, moi, mon point de vue, ce que le ministre a fait ce que tout ministre euh, le chargé de l'intérieur eh, doit faire. Il est parti reconforter les troupes. C'est vrai qu'il a rappelé ce qui s'est passé à Bosso, où malheureusement, il ne faut pas le cacher, des militaires ont fui, n'est-ce pas Bon, euh, euh, il a rappelé cela, mais il a dit que ce qui s'est passé, parce qu'on a vu la photo de ceux qui sont tombés sur le champ de c'est des jeunes. On a vu des jeunes à la fleur de l'âge qui sont tombés, apparemment qui ont résisté, qui ont dit que non, la honte là, ils ne vont pas partir avec à la maison, plutôt mourir en défendant le pays que de qu'on raconte que vous avez fui et que vous avez détalé. Vous savez, n'est pas à la portée de n'importe qui. On peut être dans un studio de, télévision ou de, de radio, dire ce qu'on veut, mais ceux qui sont sur le terrain là, moi je respecte les militaires, je respecte tout celui qui porte la tenue, parce que défendre sa patrie, mourir pour sa patrie, il n'est pas à la portée de n'importe qui. Et, ce qu'il a fait, le soutien qu'il a apporté, c'est extrêmement important. Et j'ai dit, les militaires nigériens maintenant, parce que quand ils sont partis à la, poursuite de ces assassins-là, ils étaient très en colère. On sentait que cette poursuite-là, cette celle-là, celle-là, elle n'allait pas, être comme les autres. parce que pourquoi Parce que les terroristes, c'est qu'ils étaient drogués. Dans la gendarmerie, ils ont pris tout le temps de charger les, les véhicules avec du carburant, pensant que c'est comme d'habitude pensant que comme d'habitude, les avions ne vont pas décoller, n'est-ce pas, et que la, la, course poursuite n'aura pas lieu. Malheureusement pour eux, ceux que les hélicoptères ont décollé, ils les ont poursuivis parce que c'est ça l'avantage de la couverture aérienne. La couverture aérienne vous permet de voir ce qu'il y a devant. S'il y a des troupes terroristes qui sont en train d'attendre en repli, qui sont en train d'attendre les, les troupes nigériennes, l'hélicoptère les informe. Donc, et heureusement que depuis que le terrorisme a commencé, il y a le droit de poursuite qui a été signé entre pratiquement tous les pays de la sous-région. Le Niger aujourd'hui a le droit de, rentrer dans le territoire. Et grâce à l'appui aérien, ça vous permet de voir ce qu'il y a dedans. Donc, moi j'ai dit, Alhamdulillah, j'ai dit bravo aux forces de défense de sécurité. Mais ce qu'il faut toujours être vigilant, ça veut dire que Ayuru, tôt ou tard, sera encore attaqué. Ça veut dire que les postes militaires qui sont au niveau de la frontière avec le Mali seront tôt ou tard attaqués. Il faut que les militaires changent de comportement. Qu'est-ce que j'appelle comme comportement Un militaire avec les écouteurs dans l'oreille, en train de faire WhatsApp avec son portable. Un militaire, n'est-ce pas, en train à l'heure de manger, tout le monde dépose les armes, on vient, on mange ensemble le repas. Ou aux heures de prière, où un militaire imam fait, donne la prière à des, à des soldats. Chacun dépose les armes et on vient, tout le monde s'aligne. Non il faut changer de comportement, il faut s'adapter à la situation. Ça veut dire qu'il faut faire les prières de façon groupée. C'est-à-dire que cinq font la prière, les autres sont là aux aguets. Après, ainsi de, suite, Vous ne pouvez pas faire des prières collectives à deux heures où les terroristes ont l'habitude d'attaquer. 5 heures du matin, 14 heures, 16 heures. Toujours la même heure. Bien. Murtala Mamadou, vous avez écouté également euh, Bazoum Mohamed. Euh, qu'est-ce que vous, qu'est-ce qui vous, euh, qui retient particulièrement votre attention sur son discours Un discours responsable, discours de vérité euh, discours de vérité, je crois, euh, pour euh, une des rares fois en tout cas que le politique veuille bien reconnaître que il y a quand même un rapport de force qui soit disproportionné. donc que le ministre de l'Intérieur a reconnu que la puissance de feu était plus en faveur des assaillants qu'en faveur des forces nationales. Et ce qui m'amène à, dire, écoutez, si le politique le reconnaît, alors il faudrait peut-être faire en sorte que les, les, les 17 et quelques pourcents du budget national qui sont alloués au secteur de la défense servent bien eh, à équiper ces, soldats, ces, hommes qui ont choisi quand même de, défendre la nation au péril de leur vie. Parce que euh, c'est bien beau de, les reconnaître, mais est-ce que le ministre peut, devant une veuve éplorée ou une maman qui a perdu son enfant, reconnaître que son fils a été vaillant, euh, que euh, quelque part, eux, ils n'ont pas pu lui donner les moyens nécessaires pour mener son combat Bien, Issa Morumadougou, oui, est-ce que vous retenez du discours de Bazoum la... Euh, d'abord, ce qu'il a fait, c'est vraiment le rôle qui lui revient en tant que ministre de l'Intérieur d'être sur le terrain d'apporter tout son soutien à ses forces de défense et de sécurité. Je crois bien qu'il faut retenir une chose du discours du ministre de l'Intérieur. Quand il a reconnu que voilà, il y a vraiment eh, un rapport de force qui n'explique pas. Un nombre, il avait parlé de nombre et de puissance de le matériel qui fait défaut. Tout le temps, moi, j'ai entendu des spécialistes, on dit que parfois, des postes qui sont attaqués, c'est parce que les, nos forces de défense et de sécurité, ce n'est pas qu'ils ne sont pas aguerris, mais ils sont sous-équipés. Ils sont sous-équipés et ils ne peuvent pas faire face à cette violence de feu qui, est au-delà de ce qu'eux, ils disposent. Moi, je pense que le message de Bazoum n'est pas seulement un message qui, qu'on doit prendre comme ça ou bien commenter politiquement. Non, il a bien dit les choses. Aujourd'hui, on connaît c'est quoi le problème. Parce qu'il y a des milliards qui sont injectés dans la défense. Alors, donner les à ces hommes et qui ont décidé vraiment de défendre la nation. Maintenant, il y a une question qu'il faut se poser. Où est cette coopération militaire entre les pays de la sous-région Par exemple, G5 Sahel. On veut mettre une force non de, de sécurité. Des assaillants qui viennent avec des armes. Mais attendez, il faut que le Mali aussi s'investisse dans la sécurité. Parce que, oui, on a beau investir de l'argent dans notre pays pour nous sécuriser. Tant que de l'autre côté, les armes circulent comme des petits pains, ils vont toujours nous attaquer. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, eux, ils puissent avoir des armes que nous, notre propre armée, une armée républicaine, n'a pas à sa possession Voilà, il faut qu'aujourd'hui, même si on met cette force en place, moi je suis sûr que tant qu'on ne combat pas la circulation des armes, on ne contrôle pas la circulation des armes, qui les détiennent, qui les amène, je suis sûr que c'est encore une action perdue. On va encore ramasser des morts. Il faut qu'aujourd'hui qu'il y ait cette coopération, que ce ne soit pas des discours, ça, ça se matérialise sur le terrain. Parce que si on nous attaque ici, les forces maliennes aussi peuvent, peuvent, peuvent euh, riposter. Pour les, euh, quand on lance une course poursuite, eux aussi, ils peuvent démarrer de leur côté, pour, euh, les, assaillants. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au-delà de ça aussi, pour finir, il faut qu'on essaye de vraiment de ne pas s'en tenir beaucoup au protocole militaire. Parfois, quand il y a des attaques, quand les gens lancent l'alerte, il faut vraiment réagir. Prompt. Parce que ces gens-là, on n'a pas de cadeau à leur faire. Mhm. Ils sont venus pour tuer, on doit les tuer. Il n'y a euh, euh, aucune convention à respecter dans, cette pratique. nous abordons la deuxième partie de ce forum. Présentation, je le disais en début, solennelle euh, du projet de loi des finances 2018 par le ministre des Finances Assoumi Massaoudou devant l'Assemblée nationale. La cérémonie s'est déroulée le mercredi dernier. Ce projet de loi arrêté le budget général de l'État à 1900,86 milliards de francs euh, après cette étape, le dit projet de loi va être discuté d'abord en commission par les parlementaires avant le débat en plénière le 28 novembre suivi du vote. Il faut noter que ce projet de loi euh, des finances 2018 continue de susciter des polémiques, notamment autour de certaines mesures fiscales. Il s'agit entre autres de la taxe d'habitation, de la taxe sur l'héritage et la TVA sur quelques produits de première nécessité. À propos, je vous propose d'écouter le ministre des Finances, Hassoumi Massaoudou, sur la vision qu'il a de la citoyenneté. Quand on prépare l'impôt, il n'y a pas ce lien de citoyenneté. La citoyenneté est d'abord liée à sa capacité, à sa contribution en fonction de ses moyens à l'État. Nous avons des secteurs entiers, pratiquement 70% de la population, qui ne payent pas l'impôt. Mais ça ne peut, pas continuer à considérer qu'un État puisse exister sans qu'il n'y ait de volonté de faire contribuer les citoyens, même si c'est par un franc à l'effort collectif. Euh, Assoumi Massaoudou, ministre des Finances que vous venez d'écouter, euh, Murtala Mamadou, du journal La Griffe, qu'en pensez-vous de l'exposé du ministre des Finances Écoutez, euh, je crois que devant le Parlement, le ministre des Finances s'est efforcé quand même de d'expliquer, de, de, de, faire comprendre euh, un peu la, la, loi des finances que son gouvernement avait soumise euh, à l'appréciation du Parlement, mais aussi il a essayé de répondre sur certains, aspects qui sont quand même sujets à beaucoup de polémiques au sein de l'opinion. Euh, euh, il a certes fait preuve d'une certaine fermeté ou preuve de l'engagement euh, de, son gouvernement à défendre cette loi des finances vaille mais toujours est-il que le dernier mot revient au Parlement. Est-ce que le Parlement, les parlementaires seront aussi déterminés à défendre ce projet Je ne suis pas sûr parce que ces parlementaires sont quoi qu'on dise quand même ne, vont pas rester insensibles aux, aux, récriminations des de leur euh, base électorale, etc. Parce que, euh, quoi qu'on dise, euh, il y a quand même un relan de, populisme qui est en train de, revenir un peu à la mode chez les acteurs politiques chez nous, malheureusement. Mais dans l'ensemble, je crois que l'exposé du ministre et sur certaines questions et surtout les réponses qu'il a apportées sur certaines questions ont satisfait quelques citoyens, mais pas tous moi y compris. Bien. Garé euh, qu'est-ce que vous retenez de positif ou de négatif dans ce projet de loi de finances euh, tant euh, décrit par une certaine opinion moi, je n'ai pas d'appréciation à donner concernant ce projet de loi de finances parce que ce n'est qu'un projet. Donc j'attends que le jour il va être, elle va être adoptée par les députés en forme de loi. En ce moment-là, peut-être je peux vous donner mon appréciation. Pour le moment, euh, je pense que les gens ont intérêt à se calmer parce que ce n'est qu'un projet après l'exposé du ministre des Finances, qui a été quand même assez euh, euh éloquent, voilà un ministre. Moi, je trouvé convaincant Oui, je l'ai trouvé convaincant. Il a donné des explications quand même qui ont permis aux gens de comprendre, de mettre fin à beaucoup d'intoxications qui ont en train d'être relayées à travers les réseaux sociaux, à dessein. Parce que les gens savent très bien que ce qu'ils disent est faux, mais pour mobiliser les gens, on essaie de mentir pour essayer de les mobiliser. Donc, je pense qu'il a fait quelque chose de très important. Il a expliqué en détail, n'est-ce pas, euh, certaines mesures fiscales qui sont contenues dans la loi Et surtout, il a essayé de, de démentir cette information, puisqu'on est en train de faire tout un tapage sur cette question de l'héritage pour essayer de mobiliser la communauté musulmane. Comme c'est un pays à majorité musulmane, c'est un sujet sensible, on essaie de mobiliser les gens. Il a essayé de montrer non, c'est pas ce que les gens sont en train de raconter. C'est faux, n'est-ce pas Il a dit que non, ce qui est contenu dedans, ce que, par exemple, écoutez, vous parlez que quelqu'un qui est mort au village qui a 4 euh, cases ou 5 cases. On va taxer. Non, ce n'est pas ça. Il parle de ceux qui ont des comptes en banque. Et les banques, quand vous avez de l'argent déposé et que vous voulez le retirer, en tout cas, on va demander si vous n'avez pas d'impayé au niveau de l'État, n'est-ce pas On enlève cela. L'héritage, c'est l'argent qui sort exempté de toute dette. C'est ça l'héritage. Parce que même la personne, quand elle meurt, avant de partager l'héritage, on va demander, attendez, avant de partager, demander, est-ce qu'il ne doit pas de l'argent à quelqu'un S'il doit de l'argent à la banque, il paye. S'il doit de l'argent à l'État, il paye. Donc c'est comme ça, il a essayé d'expliquer de façon très claire. Maintenant, le projet est distribué au niveau des commissions, de cette commission au niveau de l'Assemblée nationale. Qui vont discuter Qui vont, d'abord détailler. Et détail important. Il, il a été précisé que au niveau des commissions, tout citoyen, toute structure qui désire approcher les députés pour protester contre certaines dispositions ou pour demander des éclaircissements ou pour apporter des contributions, elle peut saisir les commissions. Et à l'heure actuelle, je vous informe, il y a cette structure de la société civile, cette structure associative qui ont déposé une demande pour rencontrer les députés et ces demandes-là ont été acceptées. Juste pour venir, pour dire que la porte n'est pas fermée. Et les députés ont précisé jusqu'à la fin, avant le vote, toute structure qui veut saisir les députés, elle peut le saisir. Donc n'est pas la peine de, vraiment d'envenimer le débat. C'est un débat très simple. Les députés sont les représentants du peuple. Ils vont faire le travail qu'il faut. Et soyez-en sûrs, s'ils constatent que quelque chose est très mauvais, ils vont pas accepter. Mais c'est clair, c'est mm. évident. Yeah. Issa comment vous avez trouvé le ministre euh, des Finances assumé euh, défendant euh, donc ces projets de loi des finances Bon, écoutez, moi j'ai suivi le ministre du début jusqu'à la fin. C'est vrai, il a, tenté d'apporter quelques explications par rapport à ce projet, parce que moi aussi j'insiste, parce que ce n'est qu'un projet. ce n'est pas encore adopté. Il a tenté, mais quand même, ce que moi je n'ai pas compris de ce ministre des Finances, vous êtes venu pour présenter un projet de loi. Pourquoi vous allez vous attaquer à certains Non, c'est les représentations qui doivent faire l'étude après. Présenter et puis laisser il y a les débats qui ce sont les représentants du peuple. Ils ne peuvent pas agir en dehors de, ce que les, ceux qui les représentent ne veulent pas. Donc, ils peut faire ça et puis Mais moi, c'est vraiment son scénario de théâtre que je j'ai pas apprécié. Ce n'est pas digne d'un ministre. Il faut arrêter ça. Ce comportement-là, nous, on n'a pas. Aujourd'hui, ce qui nous importe au Niger, quand il y a un problème, il faut laisser ceux qui sont chargés de le résoudre de le faire. Mais par, rapport au budget en tant que tel, qu'est-ce qu'on remarque On remarque que ce budget, est à décarté, c'est comme équilibrer les dépenses publiques. Maintenant, accroître les recettes internes. C'est dans ce contexte qu'il y a eu la polémique quand on dit qu'il faut accroître les recettes internes, la pression fiscale. Ces nouvelles mesures qu'on a mises, certaines ne sont pas ce que nouvelles hein, tout à fait. Ça existait, mais c'est qu'on n'a pas appliqué cela. Maintenant, c'est ça le problème de ce régime. Ils appliquent des choses, mais ils ne prennent pas le temps. Parce que quand on dit nouvelle mesure, c'est comme si non, on a créé ça tout de suite, on veut l'appliquer. Non. Les taxes ne posent pas. Moi, je ne suis pas contre ce qu'on dit qu'on paye des taxes. Je vous donne le, cas du Rwanda. Vous savez, les taxes qu'ils ont, au Rwanda, Rwanda, tout, toute activité, tous les citoyens, des centres urbains jusqu'aux campagnes, payent des taxes. Kagame ne fait vivre son pays, mais en faisant quoi le problème, c'est qu'il y a la création de richesses. Nous, aussi au Niger, pourquoi ça crée la polémique Parce que les gens sont dans une situation difficile et le peu qu'ils gagnent n'arrive même pas à se venir à leurs besoins et on augmente encore. C'est cela. C'est là-bas que moi je pense que l'État a failli. Il faut vraiment trouver des mécanismes pour faire adhérer les uns et les autres à ce projet de loi, notamment dans la réduction euh, du train de vie de l'État mais on ne voit pas la réduction de, dans, euh, on appelle, aucune réduction. Vous voulez parler du nombre de non, du nombre des institutions budgétivores qui ne servent à rien qu'on a créé aujourd'hui. On a créé de 2011 aujourd'hui des, institutions aujourd'hui qui sont rattachées soit à la primature ou à la présidence, dont on n'a vu aucun résultat. Bien, nous passons à la troisième Maintenant, partie. pour finir, pour finir, moi je pense que aujourd'hui, même ceux qui dénoncent, il ne faut pas dénoncer seulement pour dénoncer il faut dénoncer avec des propositions. déposer les au niveau de l'Assemblée nationale. On n'est plus au stade de venir faire des meetings pour seulement dénoncer, faire des discours. On doit approuver aujourd'hui par exemple, pour des propositions comme sur l'héritage là, on doit au lieu de dire que non, ça pose polémique, mais on met la taxe sur la richesse. Il y a combien de riches, il y a combien de millionnaires au Niger Ceux qui achètent des véhicules au-delà de 20 millions, on augmente la taxe il y a des mécanismes aujourd'hui, des propositions qu'on peut faire et on peut amener les représentants du peuple à l'accepter et à proposer ça au gouvernement et que le gouvernement fonde sur la fortune. Ça existe dans beaucoup de pays. Oui. Mais ça n'existe pas encore au Niger. En tout cas, je n'ai pas connaissance. Il y a plein de nouveaux Bien. Nous, passons à la troisième partie de cette émission concernant donc euh, la CENI. Je le disais en début d'émission, les membres de la Commission électorale nationale permanente ont été nommés par décret présidentiel. Au terme de ce décret du 23 octobre 2017, le président de la République a nommé les membres de la CENI pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois. Il s'agit de Issa Boubacar, Hima euh, Mamman et Abdurrahman Taribako, représentants des partis politiques de la majorité, Nafi Wada et Madame Katambe Mariam Aboukari, représentants des organisations de la société civile, Moussa Ladan et Malam Oumarou, représentants des structures administratives de l'État. Ces personnes rejoindront et euh, donc Isaka Sonna et Aladoua Hamada, respectivement président et vice-président de l'institution chargée d'organiser toutes les élections de notre pays. L'opposition, quant à elle, n'a pas encore désigné ses représentants. Alors, euh, Murtala Mamadou, quelle appréciation faites-vous de cette composition de la CENI Écoutez, vous l'avez vous-même relevé, les, les, les, les, représentants de l'opposition sont absents de cette euh, commission électorale, c'est peut-être le seul bémol, euh, euh, ce qui va faire en sorte que nous aurions une commission électorale euh, qui soit pas complète, au grand complet. Donc si elle n'est pas complète, euh, quoi qu'elle fasse, ça va quand même, même elle a beau être la plus équitable du monde, il y aura quand même des de, de, relents de suspicion de l'autre côté. Et c'est pour ça qui que je dis personnellement, je, je ne comprends pas du tout que euh, l'opposition politique continue à, à, faire euh, le combat politique en dehors des institutions politiques. Il y en a qui parlent de la politique de la chaise vide. La politique de la chaise vide, euh, ça ne marche pas et ça n'a jamais payé. À moins que peut-être le résultat, l'objectif visé, que c'est de créer une situation où on se mettre dans une position de contester tout ce qui va être fait et puis voilà, peut-être euh, essayer de, d'imposer, de, créer une situation où les consultations électorales n'auront pas lieu ou bien même quand bien même elles auront lieu, euh, on va créer les conditions pour dire qu'elles ont été organisées dans des conditions euh, qui ne sont pas les, meilleures. Donc elles ont été bâclées. La preuve, nous n'avons pas de représentants dans tout ça. Donc si c'est ça l'objectif, la politique, la chaise vide, c'est la mieux indiquée. Mais si l'objectif est vraiment l'exercice exercice démocratique. Donc euh, l'organisation des scrutins avec la participation de tous, il vaut bien que tous les acteurs se retrouvent au niveau de la commission chargée de les organiser. Carré à mode du quotidien de la nation, c'est votre avis. Tout le monde, si l'objectif est vraiment la démocratie, tout le monde doit euh, se, se retrouver. Mais écoutez, la, la, meilleure commission nationale électorale, électorale nationale indépendante, c'est celle-là qui regroupe toutes les parties prenantes. C'est clair et net. Vous comprenez Et il n'est pas. Majorité mais c'est clair. Mais vous savez, ce que l'opposition n'assume jamais, ses décisions, elle n'assume jamais ses prises d'opposition. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2016. L'opposition a de côté les élections, n'est-ce pas Les élections ont eu lieu. Un président a été élu. Il a, été, il a prêté serment devant la communauté internationale. Après, les députés de l'opposition sont venus siéger à l'Assemblée nationale. Ils sont venus siéger. Et, et de cette même façon, aujourd'hui, ne vous y trompez pas. L'opposition va donner ses représentants. Elle va finir par donner ses représentants. C'est clair. Les non-affiliés vont donner leurs représentants. La CENI complète sera complète. Il ne faut pas voir tous ceux qui vont là, toute la, toute la poussière qu'ils soulèvent là. Vous êtes sûr Non, je suis. Non, ils n'assument jamais. Vous connaissez à ce point Mais attendez, il y a une expérience quand même, les élections de 2016. Ils n'ont pas assumé, ils n'ont pas, ils ne sont pas allés jusqu'au bout, jusqu'au bout de la logique. Ils sont venus siéger à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas Et ils continuent de siéger au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est parce que ils savent que tôt ou tard, je vous dis, tôt ou tard, ils vont partir, ils vont finir par siéger au niveau de la CENI. Et c'est cette CENI là qu'on veut. Ils viendront, les non-affiliés viendront, et en ce moment, on aura une CENI qui sera vraiment conforme au texte de la République et qui va pouvoir organiser les élections. Bien. Euh, Issa est-ce que vous trouvez une raison, euh, une raison valable à, l'opposition de ne pas participer à cette CENI Moi, je ne suis pas d'accord avec la politique de chaise vide de boycott. Il faut, affronter les événements. Quelle que soit la situation, il faut l'affronter parce que vous ne pouvez pas parler d'une situation que vous n'avez jamais vécue. Il faut avoir de l'expérience. Moi, je ne suis pas d'accord avec le, boycott. Il n'était pas d'accord avec de la CNDP qui a mais écoutez, aujourd'hui, aujourd'hui, on dit que le, régime est en train de faire ce qu'il veut. Mais c'est bien normal si vous avez une opposition moribonde en face de vous, ils sont en train aujourd'hui de faire ce qu'ils veulent. Mais est-ce que au temps de Hussein Omar était chef de file de l'opposition Ou de temps en temps, il sort, il scrute la gestion. Mais c'était vraiment une période où on sent qu'il y a le jeu démocratique. Mais aujourd'hui, cette opposition, cette opposition qui passe tout son temps à dire qu'il oh, faut que le président démissionne, le président démissionne. Mais comment Est-ce que c'est une manière de faire de la politique Non. Venez les affronter sur le terrain. Il faut les affronter. Moi, je pense que tout ce qu'on peut déplorer dans ce processus, c'est parce que l'inexistence du consensus. Et c'est l'opposition qui a fait ça. Normalement, vous pouvez, vos adversaires, il faut venir sur la table de négociation. Vous pouvez les amener à mettre de l'eau dans leur vin pour que vous trouviez une, solution à la situation. Mais vous êtes là de l'autre côté, mais ils vont, ça va se euh, trouver comme une fada entre amis, on discute, on prend ce qui nous arrange, mais on laisse ce qui nous arrange pas. Nous, on n'a rien à voir avec. Mais c'est ça, c'est ce jeu que l'opposition doit arrêter. Et le boycott n'a jamais payé. Donnez-moi une seule euh, euh, preuve valable dans un processus électoral où le, boycott à, a, a, vraiment donner. Ce n'est pas moi qui vous donnerai l'exemple. oui, mais il faut, il faut, prendre des cas comme, euh, historiques comme euh, au Kenya. Mais Raila Odinga, en décidant de, de, de, de, ne pas participer. Mais c'est qui le pardon Comme il le, fait maintenant. Alors, nous passons à la dernière partie de cette, euh, de cette émission. Je parlais euh, en début d'une réunion de haut niveau sur la création d'une monnaie unique dans l'espace CDAO d'ici à l'horizon en 2020. On prépare à cette rencontre les présidents du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Ghana du, euh, et du Nigeria du Niger notamment, pays euh, un communiqué final a été lu euh, à l'issue d'une journée d'échange. Selon ce communiqué, une monnaie unique qui remplacerait le franc CFA et cette autre devise nationale apparaît difficile à mettre en place rapidement au vu des difficultés énoncées par le sommet. Un nouveau sommet des chefs d'État est programmé en février 2018 à Accra, au Ghana. Alors rapidement, euh, euh continuez. Qu'en pensez-vous réellement de ce projet de monnaie unique ben, Qu'est-ce ben qui bloque Non, déjà l'idée, il sait elle est salutaire. Il faut saluer l'idée d'aller vers, vers une indépendance économique. Ça, c'est vraiment. Mais quand même, il faudrait voir aussi le contexte. Aujourd'hui, il y a une crise financière mondiale. C'est pas seulement. C'est au niveau même des grandes puissances qu'ils ressentent ça. Nous, des pays en voie de développement, <laughs> comment se fait-il que nous, on ne sera pas des victimes c'est le système qui n'est pas favorable. Le, le, ah, contexte, le contexte. actuel n'est pas favorable à cela. Mais quand même, tout de même, la taxe force peut continuer à travailler, à réfléchir encore, en trouvant les moyens maintenant face à ce contexte très difficile, comment nous pouvons faire pour aller vers cette dynamique S'il faut reporter ou bien faire reculer un peu euh, euh, le processus en mettant maintenant en mettant une nouvelle dynamique qui va plus prendre en compte tous les besoins aujourd'hui euh, du du, nouveau système mondial de l'économie parce que c'est ça aujourd'hui nous tous on sait qu'aujourd'hui, c'est la chute des matières premières qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, l'économie mondiale est dans une mauvaise situation. Maintenant, il faudrait prendre en compte toutes les mutations qui peuvent survenir en fonction du temps et qui peuvent aujourd'hui faire en sorte que nous pouvons aller vers euh, cette monnaie unique. C'est une bonne chose. Il faut vraiment harmoniser cela. Mais tout de même, nous savons qu'aujourd'hui, malgré tout cela, malgré tout ce que la taxe forfaitaire va faire, nous savons des pays qui ne sont pas qui sont dans la CDAO qui ne sont pas du tout favorables à cette dynamique. Et c'est mm-hmm. ça même le blocus. Le, Murtala, vous êtes d'avis euh, au sein même de cette organisation qui voudrait mettre en place cette euh, monnaie unique Il y a des oppositions, il y aurait des oppositions, des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça, ça aboutisse je ne pense pas qu'il qu pas peut-être intérêt à ce que ça vous dise mais qu'ils sont pas, plutôt, je pense qu'ils ne sont pas déterminés ou plutôt engagés à un certain niveau pour que euh, cette monnaie voie le jour. Euh, prenons le cas du Nigeria, qui est quand même le, la première puissance économique de cet espace, qui quand même euh, continue de mettre des réserves quant à la mise en place ou la création de, de, cette monnaie. Donc vous voyez quand... Qui verra la, disparition de la Naira. De la, Naira et d'autres monnaies, y en 8 huit, je crois, dans la société. Voilà. Vous voyez, euh, quand la locomotive économique euh, n'est pas euh, engagée à un certain niveau, il y a forcément des problèmes. On voit qu'est-ce que les États les plus engagés sur ces combats, sur, ce, sur cette lancée au rang de ces pays. On peut citer le Niger qui est quand même une économie plus ou moins petite dans, dans cet ensemble. du coup, le Niger n'a pas le, poids économique pour pouvoir tirer le, cette locomotive. Donc, euh, le travail réside de mon point de vue beaucoup plus dans le, euh, euh, raisonnement qui va amener ces, puissances, ces chefs d'État, ces différents pays à, être d'accord d'abord sur le principe et puis se, mettre d'accord sur une date butoir parce que déjà la date butoir de 2020 va être extrêmement difficile et au vu de, l'analyse des, des, critères de convergence qui ont été cités par la task force que aujourd'hui, euh, à mi-parcours, on se rend compte que il euh, y a carrément aucun pays qui, a, rempli sa, feuille de route. Ça va être extrêmement difficile, mais euh, de l'autre côté, n'oublions pas aussi qu'il y a peut-être des, mains invisibles qui voudraient que cette monnaie n'aboutisse jamais. Bien. Bien. sommet de la CDAO de Dakar que le processus a lancé aujourd'hui, malgré le travail, c'est un travail colossal qui a été abattu par la task force. Mais ce travail-là n'est pas vraiment apprécié à sa juste valeur par les autres États. Il faut c'est ce faux jeu-là qui fait en sorte que mm. les gens ne sont pas prêts pour le faire. Et il faut que les chefs d'État aient le courage. S'ils ne sont pas prêts maintenant de trouver des mécanismes aujourd'hui pour faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens, harmoniser nos économies dans l'espace. S'ils ne veulent pas de la on peut trouver quelque chose qui peut vraiment être un levier de développement. Comme la euh, convertibilité euh, des différentes voilà. monnaies. Qui Garé Amadou, est-ce qu'il y, aurait des chances d'aboutissement à ces projets communautaires Mais il y aurait des chances parce que cette réunion, c'est la quatrième. Il y a déjà eu trois réunions précédentes. Et il y aura la prochaine est prévue en février. Voilà, euh, en février. Ça veut dire qu'il y a une dynamique qui est là, il y a une volonté des chefs d'État. Et vous, avez, vous savez, le problème de la CDAO, c'est que c'est une communauté économique, mais où il y a le franc CFA, il y a le Nigeria qui a le NERA, il y a le Ghana qui a le CIDI, etc. etc. Donc, c'est une bonne initiative que de vouloir avoir une monnaie unique. Mais comment avoir une monnaie unique dans une communauté où les gens ont des monnaies qui ont des parités différentes Ça veut dire quoi Ça veut dire que n'est pas qu'on se lève bon matin, on vous dit, bon, écoutez, à partir de maintenant, c'est le CFA. Non il faut voir la situation économique des pays. Comment est-ce que ça va, se passer Comment est-ce que le budget va être Qu'est-ce que les devises de ce pays-là Qu'est-ce qu'on va en faire Etc. etc. Parce que c'est un pays qui produit des ressources, n'est-ce pas, sur la base du NERA, et le NERA qui a une parité avec le CFA, qu'est-ce que ces produits-là vont devenir C'est des réflexions profondes qui doivent être faites. Et je crois que la taxe... Vous n'avez pas l'impression que ces, préalables aient été non. déjà réalisés euh, Vous savez, j'ai dit qu'on est dans une dynamique. Vous comprenez J'ai dit que cette réunion, c'est la quatrième. Et la taxe force euh, regroupe parmi des personnalités, des, des anciens dirigeants de douane, des anciens DG de, euh, des anciens ministres des Finances, etc. etc. C'est des personnes qui sont à la retraite, mais qui ont une expérience dans le domaine de, l'économie, qui sont au niveau de la taxe force, là, qui réfléchissent. La tax force C'est pour ça qu'elle a été mise en place depuis 2014. C'est-à-dire réfléchir, réfléchir. Et je pense qu'au bout de l'effort, on va arriver à cette monnaie unique là et, tous les pays seront vraiment euh, pratiquement sur la même longueur d'onde. Merci Gare. Ici s'achève le forum de la presse de ce soir. Euh, merci à vous de l'avoir suivi. Nos invités de ce soir, Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation, Issa Mourmadou, journaliste à la radio et télévision Ténéré, et Murtala Mamadou, journaliste euh, à la satirique La Griffe. Présentation à la sainte Cousine Mamadou, à la technique Hussein Saka. Rendez-vous demain, euh, samedi, avec Maman Ada pour le forum en Hausa à 17h15 et dimanche à la même heure avec Balkis Hamidou pour le forum en Zerma. Excellente soirée à tous et bon début de week-end.